Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme euh, du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook euh, Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur euh, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème quelle euh, réponse face à la problématique de la gestion des déchets dans la ville de Niamey. Selon la Banque mondiale, plus de la moitié de la population mondiale n'a pas accès à un service d'enlèvement des déchets ménagers. Environ 4 milliards de personnes utilisent les décharges illégales ou non réglementées qui accueillent plus de 40% des détritus produits dans le monde. Le Niger n'est pas épargné. La gestion des déchets ménagers constitue un enjeu énorme euh, de la vie quotidienne de nos populations et la problématique risque de s'aggraver durablement au vu de la forte croissance démographique et de l'urbanisation galopante. Ces conséquences potentielles et avérées sont énormes tant sur le plan de l'habitat et des conditions de vie et des populations que sur le plan institutionnel, économique et social. Avec euh, nos invités, nous allons chercher à comprendre à travers une analyse de ces données ce qui a fonctionné et où des difficultés sont apparues dans le domaine de la gestion des déchets dans la ville de Niamey. Pour ce faire, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir colonel Boubacar Souman Garanké, administrateur délégué de la ville de Niamey. Bonsoir, mon colonel. Bonsoir. Docteur Yolambi Mohamed, journaliste et expert dans le domaine de l'hygiène et l'assainissement. Bonsoir, docteur. Bonsoir et Inoussa Ambali, acteur de la société civile. Bonsoir Ambali. Bonsoir. Nous avons également invité euh, le responsable de la société Balarabi Assainissement étant en déplacement. Il n'a pas pu prendre part à ce forum. Je suis Mokhtar Hamadou pour la présentation de ce forum. on va commencer avec vous, au colonel Abuba Soumana Garantier, administrateur délégué de la ville de Niamey. Que peut-on savoir au sujet des déchets solides et liquides dans la ville de Niamey. Tout d'abord, nous tenons à vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir parler de la gestion des déchets au niveau de la ville de Niamey. C'est un sujet qui nous tient à cœur parce que depuis que nous avons pris les rênes au niveau de la ville de Niamey, c'était quelque chose de criard. En fait, euh, la ville était dans un état vraiment d'insalubrité vraiment avancée. Bon, par rapport à ça, ce qu'on peut dire, c'est que la ville normalement dispose d'un schéma logique en fait de vraiment de collecte de déchets. Mais ce qui est sûr euh, avec le temps, c'est ce schéma s'est vite vu dépassé vu les facteurs dont vous avez parlé. La démographie. La démographie et puis l'urbanisation. Le comportement aussi euh, de certaines de nos populations. Tout à fait, ça, je vais en revenir. Maintenant, on parle de la démographie et puis de l'urbanisation croissante et le fait que les gens n'ont pas planifié réellement le fait que ce, la problématique de, de la collecte de ces déchets pouvait devenir un casse-tête euh, à terme. Et actuellement, on assiste, aussi, vous remarquez, un peu partout à des dépotoirs anarchiques un peu partout et même euh, on manque d'endroits où pouvoir euh, déposer en fait ces déchets. Avec l'occupation des espaces réservés à cet effet Non seulement par par rapport à ça, mais le fait que ces espaces n'existent même pas dans certains quartiers. Parce que tout simplement, avec le temps, en fait, euh, la ville s'est laissée aller sans pour autant réserver des espaces dédié à ces décharges en fait publiques. Colonel Boubacar Soumana Garantier, administrateur délégué de la ville de Niamey, on peut encore euh, le constater dans la ville le plus souvent par manque de lieu où décharger ces ordures. Vous venez là juste euh, de le rappeler. Des collecteurs s'organisent pour les acheminer vers des dépotoirs semi-informels. Avez-vous prévu quelque chose à ce niveau Tout à fait, nous sommes en train d'y travailler. Mais avant d'arriver même à cela, c'est que le problème de la salubrité, il faut le prendre d'abord au niveau de, du ménage. Ça veut dire, quand je prends le ménage, ça veut dire des habitations. C'est là-bas que les collecteurs prennent euh, ces déchets Souvent, d'autres oui, d'autres non. Parce que quand je prends l'exemple en fait euh, du citoyen lambda, le citoyen qui normalement doit rendre en fait son endroit propre, souvent ils prennent les déchets et les déposent à l'autre devanture de leur maison. Ce qui est sûr, c'est qu'il manque assez de poubelles pour pouvoir mettre... Euh, ces déchets dans ces poubelles et pouvoir les acheminer vers des endroits plus appropriés. Ça, c'est une remarque globale que nous avons eu à faire depuis qu'on a pris, comme j'ai dit, on a pris le commandement au niveau de la ville de Niamey. Nous avons essayé de faire l'état des lieux et nous avons constaté qu'il y a une défiance à ce niveau. Et donc la ville est en train de prendre vraiment des mesures pour pouvoir y remédier. Mon colonel, la collection de ces déchets-là, est-ce que c'est réglementaire dans la ville c'est réglementaire puisque je pense qu'on on est obligé de passer par ces prestataires privés qui peuvent aider à rendre la ville salubre. Ils prennent les, déchets et les amènent normalement au niveau des, des des décharges et des dépotoirs prévus à cet effet. Sauf que eux-mêmes, à leur niveau, quand ils arrivent, au lieu de les mettre dans le dépotoir, ils, les le, versent, par, terre. Et donc, ça engendre encore d'autres insalubrités plus que la salubrité. D'où vraiment, il faut essayer de revoir. Euh, de pouvoir conscientiser ces gens, de leur apprendre, parce que pour moi, tout Nigérien doit être, tout Niaméen doit être un ambassadeur de la propriété. Je pense qu'à ce titre, si tout le monde prend conscience que la saleté est quelque chose d'immonde et que je fais du tort à autrui, si je jette ça ailleurs, je pense que on aura gagné beaucoup. Colonel Boubacar Soumana Garanke, en termes d'exemple de décharge qui trouble encore le sommet des riverains, on peut citer la carrière de Koubia ou encore la vallée de Goudel. Euh, ces lieux de décharge non contrôlés et non régulés recueillent les déchets ménagers sans distinction et sont situés dans des zones euh, très proches euh, des quartiers d'habitation. Quelle est la politique euh, réelle de la ville de Niamey en matière de gestion des déchets Colonel. En réalité, ces dépotoirs-là dont vous avez parlé, ces endroits où qui sont autorisés les décharges publiques, normalement les habitations ne devaient pas être à côté. Maintenant, c'est vu la spéculation foncière et que la population aussi, par la méconnaissance des textes ou bien surtout ce que vous connaissez comme mentalité, les gens veulent vivre à côté de ces dépotoirs et ont peut-être accepté d'acheter des terrains qui sont à côté du dépotoir. Normalement, il y a des mesures de sécurité qu'on doit prendre pour l'hygiène de la population, mais maintenant, on a même des soucis. Comme vous prenez le cas de Koubia, il y a des gens qui ne devaient pas être là-bas, qu'on demande, qu'on aimerait déguerpir, mais qui ont des actes de cession de la ville dont ce serait difficile de pouvoir les faire partir. Merci beaucoup, mon colonel. On va revenir vers vous, le temps de donner la parole à Dr Yolombi Mohamed, qui est expert dans le domaine de l'hygiène et l'assainissement. Dr Yolambi Mohamed, quelle analyse faites-vous au sujet de la problématique liée à la gestion des déchets solides et liquides dans la ville de Niamey Tout d'abord, M. Mokhtar, euh, merci pour euh, le Stukuro Kalangou, euh, pour cette opportunité qui nous a été forte pour quand même échanger sur un sujet aussi important dans le cadre du développement urbain. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de développement urbain, la question de l'assainissement, elle est au centre. Alors, euh, donc moi, ça fait des années que je travaillais sur euh, la thématique, euh, en tout cas, je faisais des recherches sur la gestion des déchets et particulièrement au niveau de la ville de Yamé. Mais moi, je vais faire dans un premier temps un aperçu, d'abord sur le problème, la problématique, et un peu euh, retracer les différents acteurs avant de venir sur euh, les dispositifs, les dispositions qui existent. Dans un premier temps, euh, moi j'ai fait ma thèse récemment en 2022 mhm. dans le cadre même de la gestion des déchets au niveau de la ville de Niamey. C'est un rappel, c'est extrêmement important. C'est important. Et même mon master 2, je l'ai accentué sur la gestion des déchets, la communication, la gestion des déchets. Et ma licence également a porté sur euh, l'insalubrité. Donc vous voyez, euh, toutes mes recherches pendant une dizaine d'années ont porté essentiellement sur les questions de l'assainissement de la ville de Niamey et au-delà au Niger. Le problème qui se pose aujourd'hui, on est tous euh, convaincus que le problème de l'insalubrité grandissante au niveau de la ville de Niamey est réel. C'est un problème qui est là. Nos villes, particulièrement au niveau de la ville de Niamey, les rues, les voies sont, sont sales, nous avons des, euh, des déportoirs anarchiques qui sont exposés de l'effet. En termes d'impact environnemental, l'impact est là, nous avons des conséquences d'un point de vue sanitaire, avec la dégradation, n'est-ce pas, des routes, des voies, et tout ce qui concerne en termes de corollaire, toutes les conséquences. Donc la problématique, l'enjeu est là. Nous avons euh, un environnement qui est extrêmement pollué, il n'est pas rare de constater des riverains qui mettent le feu, la fumée dérange, les cadavres des animaux qui sont jetés euh, sur. Euh, voilà, donc c'est justement, j'aimerais revenir sur. Euh, pour situer en fait les responsabilités. Parce que vous savez, dans le domaine de la gestion des déchets, nous avons une diversité des acteurs. La ville de Niamey n'est pas le seul acteur selon les dispositions qui est chargée uniquement de gérer les déchets de la ville C'est ça un peu la compréhension qui est... En dehors de la ville de euh, Niamey, il y a d'autres euh, acteurs qui, qui, qui, qui, est mal compris des populations. Euh, le secteur des déchets est un secteur qui renferme beaucoup d'acteurs. Au premier rang, les collectivités territoriales qui ont, selon le Code général des collectivités territoriales de septembre 2010, qui ont la charge de la collecte, du transport, du traitement de tout ce qui est déchets solides, liquides au niveau de leur territoire. Ça, c'est une mission qui est exclusivement réservée pour les collectivités mais en dehors de ces collectivités de droits, nous avons d'autres acteurs clés qui ont des attributions claires en matière de gestion des déchets, de l'assainissement. donc, c'est sur ces euh, acteurs que j'aimerais revenir. Vous avez le ministère de l'Hydrogène, de l'assainissement et de l'environnement qui, à son sein, a un certain nombre de directions qui ont aussi des prérogatives en matière de gestion des déchets urbains. Mais est-ce qu'ils sont visibles Nous avons la direction de lutte contre la nuisance. Aujourd'hui, ces déchets-là, elle pollue l'environnement. Donc nous avons au niveau des, ministères sectoriels des attributions claires en matière de gestion, de coordination de tout ce qui est gestion des déchets. Nous avons au niveau du ministère de l'urbanisme et de l'habitat, parce que si vous regardez le développement urbain, il y a beaucoup de défis qui concernent une mauvaise répartition même de l'espace, qui fait qu'aujourd'hui, la population elle est mal répartie et l'assainissement n'est ne peut que s'accentuer, s'accumuler. Quand vous prenez le, le côté périurbain, c'est vraiment le, le déchet, l'insalubrité, est grandissante. Vous avez le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé aussi, vous avez la direction de l'hygiène publique et de l'éducation pour la santé. Cette direction a pour attribution, a pour rôle la mise en œuvre du code de l'hygiène publique. Nous avons des dispositions, donc je vais revenir sur cela, mais je suis en train d'énumérer les acteurs qui sont clés. La ville de Niamey n'est pas le seul acteur qui doit prendre en charge dans sa globalité, la question, de l'assainissement. Nous avons les populations. Dans les dispositions, les rôles et les responsabilités de tous les acteurs sont clairs. Nous avons le corps de général des collectivités. Mais on ne voit que la ville sur le terrain. Mais c'est cette vision euh, limitée des responsabilités en matière de gestion des déchets qui est baisée. La ville de Niamey n'est pas le seul acteur qui, qui, qui a la mission de la gestion de l'assainissement urbain. Vous voyez, quand vous prenez aujourd'hui les populations, les populations constituent un acteur incontournable. Mais malheureusement, avec, euh, Sans la ville de Niamey, avec le comportement peu orthodoxe de certaines euh, populations. Voilà, c'est ça. Maintenant, le deuxième aspect, ça, entre autres, parce que vous avez il a certaines institutions qui ont été dissoutes. Par exemple, vous avez le Haut Commissariat niamey la direction de modernisation des villes. Ce sont des institutions dont leurs activités, c'est essentiellement la gestion des déchets, la gestion de l'assainissement urbain. Donc, tous ces acteurs ont des attributions, ont des activités à mener qui doivent être mises en œuvre sur le terrain et apporter un résultat, un changement. Mais on, observe sur les faits que c'est une question qui concerne uniquement la ville de Niamey. Les autres acteurs ne sont pas beaucoup plus visibles. Vous avez des entreprises vous savez, des entreprises, j'ai cité des ONG, des entreprises publiques ou privées, qui ont aussi des missions ou des activités pour la gestion des déchets. Maintenant, en dehors de tous ces acteurs-là que je venais de citer, nous avons les textes. Mais l'un des problèmes monsieur l'administrateur délégué de la ville de Niamey, je, serai obligé de laisser l'application des textes. Rien que ça. Nous avons des textes qui sont limpides, qui sont clairs. Je vais donner deux textes. Nous avons la loi cadre de 98 sur la gestion de l'environnement. Nous avons le code général qui définit les rôles et les responsabilités. Nous avons le code de l'hygiène publique de mars 93. Et ces codes-là, quand, vous, prenez le code, ils sont en vigueur. Quand vous prenez les codes de l'hygiène publique, ils définissent Comment moi, citoyen, après usage d'un déchet, comment je dois le faire Il y a même un arrêté du ministère de la Santé portant sur le principe de rejet dans le milieu naturel. Comment nous devons rejeter nos déchets quelles sont les sanctions Et les textes, quand vous prenez les codes de l'hygiène publique, il y a des sanctions qui doivent être appliquées. Des taxations. Si par exemple, aux devantures, vous causez des actes d'insalubrité, la ville de Niamey est censée contrôler, surveiller et sanctionner. Parce qu'il n'y a pas de sanctions, mais je fais ce que je veux. Docteur Djolombi Mohamed, malgré les efforts par plusieurs initiatives publiques et privées pour sensibiliser les populations et inciter au changement de comportement, le problème des déchets reste entier et les dépotoirs sauvages se multiplient. Que faire selon vous Rapidement. Ma thèse, je vais la partager parce que dans le cadre de son élaboration, j'ai beaucoup travaillé avec la, avec la ville de Niamey où j'ai fait des recherches sur l'assainissement, la gestion des déchets solides ménagers dans la ville de Niamey, qui a étalé, qui a décrit, qui a fait la situation des cinq arrondissements communaux de la ville de Niamey dans 500 ménages, où nous avons fait la situation le point, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences. Et une, des causes, je prends, je prends par exemple la cause managériale, la gouvernance de la ville de Niamey. Quand vous prenez la ville de Niamey, elle est pilotée, elle est chapeautée au niveau central par la ville euh, coordonne les cinq arrondissements communaux à travers de la mise en œuvre des activités de gestion des déchets à travers un garage municipal. Le garage municipal, il est piloté par la ville qui met à la disposition des arrondissements communaux des brigades de collecte. Et c'est ça où je voudrais en venir. Parce que ce système de centralisation des moyens matériels ne permet pas aux collectivités, aux communes, aux arrondissements de fonctionner convenablement. Ah, Moi, personnellement, j'ai eu, à, questionner tous les agents d'hygiène et d'assainissement des cinq communes. J'ai échangé, j'ai collecté des informations. Mais l'une des recommandations qui ressort, c'est de faire en sorte que les arrondissements que nous disposent de leur propre outil permanent de collecte pour répondre aux besoins qui est là. Parce que telle que la brigade aujourd'hui, elle est affectée aux communes et qu'elle est rotative. À un moment donné, quand je faisais mon enquête, elle est rotative. C'est-à-dire quand on donne arrondissement communal Niamey 1, les autres communes vont attendre. Ça donc, fait semaine... Selon vous, la ville de Niamey n'a pas assez de moyens pour faire la face à... La ville de Niamey non seulement n'a pas assez de moyens, mais elle doit permettre aux collectivités de disposer de leur parc. De leur parc. Et de faire le point de leurs besoins en termes de collecte et des moyens qu'il faut. Mais euh, telle que la situation actuelle, c'est que la ville de Niamey a un garage, c'est vrai, elle a vraiment des capacités, mais qui ne répondent pas aux besoins. Parce que quand vous regardez les statistiques, le taux de collecte ne dépasse pas 30 à 40 le taux de collecte. Donc il y a un besoin de renforcement. La ville de Niamey a besoin d'être accompagnée. Et les partenaires financiers, là où je veux venir, c'est que c'est qu'il faut de l'investissement quand on veut l'assainissement, il faut acheter des, des, des bennes, des centaines, des collecteurs, des tricycles. Il faut véritablement investir des moyens pour avoir des moyens roulants. Les collecteurs, les bennes, les polybennes, les placer dans les quartiers, dans les routes. Moi, j'ai échangé avec des populations qui disent que si vous, vous me demandez de ne pas jeter, mais où est-ce que je veux mettre mon sachet donc, c'est à la ville la de chercher les moyens pour. Il faut la disponibilité dans les grandes villes il faut la disponibilité des collecteurs dans les quartiers, dans les ruelles pour recevoir. Et en contrepartie, il faut que la, ville dispose des mobiles, des poules pour circuler. En fait, c'est un travail à la routine. C'est un travail permanent et qui nécessite des moyens. Il faut aussi euh, travailler sur euh, la mentalité, le comportement la des mentalité, C'est le véritable problème que la ville rencontre. Parce qu'aujourd'hui, il est très fréquent. Il est très fréquent de voir les populations rejeter n'importe quel déchet. Et ça, c'est un travail de longue haleine qu'il faut faire de sensibilisation, de communication, mais d'application des textes. Parce qu'en dehors de l'application des textes, de, la communication, de sensibilisation, il faut commencer à sanctionner, à réprimer en cas de non-respect des dispositions. Merci beaucoup, euh, euh, docteur Yolombi Mohamed. Inoussa Ambali, vous êtes acteur de la société civile ici au Niger. Euh, quelle est votre opinion au sujet de la problématique liée à la gestion des déchets dans la ville de Niamey Merci. D'abord, de m'avoir fait honneur de m'inviter à ce forum et ainsi poser un thème qui semble très sensible à mon égard, car avant de bonder dans le fond du débat, je voudrais de manière succincte vous rappeler que j'ai eu l'honneur et le privilège de prendre part, pour ne pas dire d'être invité, à toutes les sessions semestrielles qu'avait tenues la mairie du système du CHI pour la présentation du rapport général. Et la première raison qui a fait ma participation là-bas, je ne le dis pas parce que je suis là pour débattre sur un thème, mais c'est la réalité. C'est cette question d'insalubrité qui me tient beaucoup à cœur. C'est ce qui a fait que j'ai participé à la première euh, session et j'ai fait des propositions qui ont fait que chaque fois qu'il y a session, euh, on m'a porté sur la liste des personnes qu'il faut éviter au nom de la société civile. Donc, euh, je suis entièrement d'accord avec toutes les analyses qui me semblent très pertinentes qui les deux serments ont présenté, le maire et le camarade docteur. Mais de manière globale, je ne serai pas aussi long comme eux. Lui, c'est son domaine, lui, c'est son domaine. Parce que même si on n'a pas fait des études sur l'hygiène, quand on devient maire, on est en train d'étudier sur l'hygiène. C'est mon domaine. Quand je mes déjà même si c'est du karambani, je deviens aussi expert à la matière. Donc, de manière globale, et cette question d'insalubrité, moi, dans mon, à mon avis, c'est comme leur appeler d'une manière à une autre les autres, c'est une question de mentalité. J'ai proposé avec insistance à toutes les sessions au maire que pour pallier à ces problèmes, la condition sine qua non, selon moi, c'est de faire un travail, un sérieux travail de sensibilisation. Parce des, que populations. des populations, parce que jusque-là, les Nigériens ne savent pas quelle est l'utilité de ce qu'on te de faire là de débarrassé de ces déchets-là, quelle est son utilité Et c'est un non-événement. J'ai l'habitude de donner même des exemples sur euh, d'autres villes que j'ai visitées, comme Accra. J'ai dit à l'assistance une fois que devant moi, la scène s'est passé devant moi. J'étais assis quelque part dans le quartier Zongo d'Accra Des gens sont venus, ils ont garé une Mercedes. Quelqu'un a ouvert la portière, il a jeté un sachet. Et ils ont décollé. Quelqu'un qui était sur sa moto, là-bas, il l'appelle Okada, Kabo il les a poursuivis. Elle mhm. Il a arrêté le chauffeur. Il a dit Vous avez les déchet là-bas. Et elle s'est mise à gronder ceux qui sont derrière. Il a fait demi-tour. Il est revenu. Le monsieur a ouvert la porte. Il a pris les sachets. Ils sont partis. Et ce qui est curieux, c'est que le monsieur. Ça t'a marqué Ça m'a marqué. Et le gars qui les a poursuivis là, c'est un Nigérien. C'est un Nigérien qui est parti, qui fait kabou-kabou là-bas. À Accra. Comme j'étais avec des Nigériens, je leur ai dit Bon, imaginez cette salle-là. Si c'est au Niger. Un Nigérien vient avec une Mercedes et le gars... Parce que quand il a Mercedes, déjà lui, il voit que c'est du sexy. Il dit quoi Un étranger qui vit à Niamey le poursuit pour lui dire qu'il a laissé quelque chose. J'ai dit allez le cogner. C'est parce que ici, les gens ont été au préalable. ils ont été sensibilisés. Comment les mentalités sont travaillées, elles sont modélées. Que même si c'est un étranger qui vient te reprocher quelque chose, ça te fait même mal. dans un sens positif. J'ai dit c'est ce travail-là, nous devons mettre un accent sur ça. Sinon, tout ce qu'on va injecter comme fonds tout ce qu'on va injecter comme fonds, c'est zéro. Imaginez, j'ai ah, vu des exemples, comme on l'a dit, comme l'a dit l'autre, la meilleure pédagogie, c'est la pédagogie des exemples. Une fois, j'ai passé devant le grand marché, j'ai vu des camionnettes chargées de rien que de plastique. J'ai intercepté un chauffeur, j'ai dit, mais ces plastiques-là, d'où ça vient Elle m'a dit, c'est ici dans les alentours du grand marché que nous les collectons. J'ai dit, et vous les amenez où Elle m'a dit, bon, la mairie nous a indiqué là où on part Si j'ai bonne mémoire, c'est des camionnettes de la, de la, société qui est venue de citer là. Balarabe assainissement. assainissement. J'ai dit, mais c'est bien. Mais ça là, moi, ce que je vois, il faut dire à vos patrons de connivence avec la mairie. Parce que la mairie, avec ses moyens, ses maigres moyens et des défis qui se dressent à elle, ne suffit pas pour faire face à ce genre de situation. Donc, il faut qu'ensemble, avec nous autres acteurs de la société civile, qu'on demande qu'on plaide auprès de l'État, de la cause de la mairie, pour que l'État vienne en aide. Comme l'a dit le docteur, il a cité un certain nombre d'institutions qui normalement sont qui, appelées. Doivent, qui doivent, concourir. doivent euh, merci, à, la cause. Donc l'État, moi je dis l'État de manière globale, doit faire de cela vraiment un objectif, un credo qu'il faut qu'il va attendre. Donc la mairie à elle, ça ne suffit pas avec ses prestataires, avec ses partenaires. L'État doit l'accompagner. C'est pourquoi à un moment, il y avait une polémique qui s'est posée où certains organes des FEDES ont commencé à faire des polémiques euh, sur les sociétés qui font des prestations. Moi, je me suis dit que ça, là, c'est un faux problème, c'est un faux débat que vous posez en agissant en bon Nigérien qui pense que si c'est pas moi, c'est pas bon. Les sociétés, là, j'ai dit que moi, une fois, le jour où ça a commencé par me marquer, j'ai revenais d'une société de transport où j'ai déposé un étranger. À 3 heures du matin passé, je trouve des veillards, des jeunes, qui peuvent aller comme tous les autres fumer des chicha, en train de balayer les rues de Niami, moyennant des gains avec lesquels ils prennent des familles en charge. J'ai dit normalement ça là aussi, l'État doit l'accompagner. Et c'est la même société que je vous disais là, de Balarebi. Sur la voie express là, ils sont en train d'évaluer. Mais le lendemain, quand je suis revenu, j'ai vu que le goudron était très propre. Mais le lendemain, quand je revenu... je retrouve des choses parties par-là. J'ai dit, je ne me retrouve pas. Vous voyez tout ça là, c'est ce que je suis en train de. C'est ce que je suis en train d'imaginer toujours l'État doit mettre un accent sur cette question de sensibilisation, d'accompagnement à la mairie, pour que les gens, désormais, quand on amène cette question d'assainissement, que ça ne soit pas seulement une préoccupation pour la mairie ou pour les gens qui font la prestation, ça doit être une préoccupation pour tout le monde. Par exemple, par rapport au traitement des déchets. Rapidement. Par rapport au sort des déchets. J'ai l'habitude, de... pour vous dire que ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à m'inquiéter de cela. En 2016, avec euh, l'appui d'un ami, qui n'est plus de ce monde, que son âme dépose en paix, qu'Allah l'accepte dans son paradis, le défend en Dubaï. Il a l'habitude de me mettre en contact avec des partenaires en 2016. Des partenaires à l'extérieur du Niger ou au Niger Des partenaires à l'extérieur du Niger qui ont promis qu'ils vont nous déployer une usine au Niger. Des traitements des, déchets. Et qui n'est pas comme Violia. L'usine qu'ils ont voulu nous apporter, ils disent qu'elle doit être la deuxième en Afrique. C'est-à-dire que si nous pouvons leur produire 000 tonnes de déchets par jour, ils vont produire au Niger 2000 MW en électricité. Avec les embargos on allait manquer d'électricité. Ils vont faire des fuels, ils vont faire de la peinture dedans, ils vont faire du goudron, ils vont faire du pavé. À, travers le recyclage, des, déchets, là. Tout ça là, ils ont promis ça. J'ai pris un dossier en bonne et due forme. J'ai transmis ça à ceux qui ont qualité de nous autoriser de le faire. Ensuite, On me demande de reproduire les dossiers. J'ai reproduit les dossiers, j'ai à venir. Seulement l'intelligence que j'ai eue, lève la tête l'adresse de mes partenaires. On me demande de reproduire, j'ai reproduit. Et les personnes qui m'ont demandé ce dossier m'ont rassuré que c'est arrivé même au niveau au sommet. Mais on ne veut pas autoriser parce que nous sommes eh, dans une communauté où, surtout, je m'excuse du terme, c'est quelque chose que je ne dois pas dépolluer. C'était autant des politiciens, j'espère. C'est quelque chose que je ne dois pas dépolluer, c'était sein des politiciens, autant de la démocratie qui produit elle-même des, déchets. Quand tu amènes une initiative, même si elle profite à toute la communauté entière, au monde entier, si tu n'es pas du système, on pense que c'est un ennemi et les paysans nous apporter du bien. Et nous, ça, en quelles sont les autres difficultés des populations dans la ville de Niamey Rapidement. Les difficultés des populations dans la ville de Niamey, en dehors des déchets En dehors des déchets. Bon, les difficultés sont multiples et multiples. Le transport. Le transport, c'est un problème, surtout qu'il n'est pas aussi organisé que ça. Les transports informels, souvent, gagnent plus du terrain, chose qui empêche aux collectivités euh, d'engranger énormément et, et, comment des, ressources. des, ressources. Le transport coûte cher à Niamey. Et là, je crois que la revendication que nous avons à faire pour euh, permettre aux transporteurs de revoir un peu ces prix, c'est que l'État doit, quand on aura un peu de stabilité, je ne dis pas de l'immédiat, doit revoir les prix du carburant. Une fois les prix du carburant réduits à la baisse, je crois que les transporteurs n'auraient pas de difficultés, ils aussi, à revoir les prix du transport. Mais l'accent qu'il faut mettre, c'est de mettre plus d'ordre dans les transports. Parce que même les crimes qu'on fait à Niamey, c'est l'absence de l'ordre. La plupart des crimes qu'on fait à Niamey, c'est avec certains transporteurs c'est en complicité avec certains transporteurs. C'est parce qu'il y a une anarchie qui règne. Il y a beaucoup de taximans qui ne sont pas des taximans. Il y a beaucoup de transporteurs qui ne sont pas des transporteurs, mais ils utilisent quelque chose qui ressemble à un moyen de transport, mais qui ne l'est pas. Merci beaucoup à tous. On attend une courte pause. On revient toujours avec vous, colonel Boubacar Soumane Garanké, administrateur délégué de la ville de Niamey. Colonel, euh, comment ces déportoirs-là euh, sont-ils organisés ces dépotoirs là sont organisés, comme vous le voyez, sur le terrain. En réalité, c'est des endroits qui ont été choisis. vous parlez des dépotoirs où on amène carrément tous les déchets ou bien les dépotoirs par quartier Les dépotoirs par quartier. Par quartier, voilà. Donc ce sont des endroits qui ont été choisis en fait en fonction des espaces disponibles pour pouvoir recueillir les déchets de la zone, en fait, euh, des zones limitrophes. Maintenant, à ce niveau, normalement, on dépose euh, des conteneurs à ordures qui doivent être remplis par les populations. Bon, depuis qu'on est arrivé, on a fait un constat, puisqu'il faut analyser le problème. Quand vous voyez un problème, vous voyez que ça ne marche pas, vous devez faire l'analyse et vous dire pourquoi ça ne marche pas. Quand on regarde autour de ces dépotoirs, la plupart des gens, non seulement ils jettent les ordures aux alentours, ils ont du mal à avoir accès même aux conteneurs. On, a fait une petite analyse, on se dit que la plupart des gens qui vont jeter des ordures, souvent on utilise des enfants un enfant, il n'a pas la hauteur suffisante pour pouvoir accéder au conteneur. Donc nous sommes en train de réfléchir à un nouveau type de conteneur qui va permettre en fait qu'on peut ouvrir et laisser les gens pouvoir y accéder. Il y a aussi la mauvaise foi. Quand je parle de la mauvaise foi, puisque quand vous prenez ce qui se fait autour du marché, quand je prends le cas du marché nouveau marché, il y a un dépotoir, ce sont les gens là, les collecteurs là des quartiers, au lieu d'aller mettre ça à l'intérieur, eux quand ils viennent, ils s'en débarrassent autour et ça crée notre travail pour les agents de la ville qui viennent. Euh, Est-ce que cela n'est pas dû au manque de sensibilisation à leurs endroits C'est ce que notre, c'est ce que l'acteur de la société civile vient de dire. En réalité, c'est la sensibilisation et voilà pourquoi nous à notre niveau, on a essayé de, on est en train de faire cette sensibilisation à travers toutes nos actions que nous publions sur les médias. Et mieux encore, on a décrété une journée de salubrité chaque fin du mois, le dernier dimanche du mois. Il faut que nous sortons, nous montrons l'exemple pour essayer de sensibiliser la population sur vraiment l'utilité de garder les espaces propres. Nous allons continuer, c'est la sensibilisation, ils l'ont dit. Le Nigeria est arrivé à un certain niveau où, si vous ne faites pas une sensibilisation profonde, ça doit commencer. Tout à l'heure, docteur Yolobi a parlé des sanctions. Est-ce qu'il euh, ne faut pas aussi sanctionner s'il le faut Les sanctions doivent venir, mais il faut d'abord sensibiliser. Moi, je pense qu'on sensibilise d'abord les gens. Il faut qu'on on apprenne les gens à comprendre même ces textes. Ces textes-là existent, mais ne sont pas vulgarisés. Donc, il faut qu'on publie les textes, qu'on explique à la population, qu'on fasse vraiment cette sensibilisation profonde. Et je pense qu'après une sensibilisation profonde, on pourra peut-être passer à ces sanctions. Souvent, on est complice aussi. Quand vous voyez, par exemple, quelqu'un qui, qui, par exemple, vide euh, euh, sa fosse sceptique euh, à côté de ses voisins et que les voisins voient, les voisins ne disent rien, je pense que c'est des comportements aussi que nous sommes complices, comme j'ai dit. Nous sommes complices. Et il a donné l'exemple de ce qui s'est passé à Accra tout à l'heure. Au Niger, c'est quelque chose qui est impossible. Personne ne le fera. Vous partez dans un endroit, on pense que c'est l'affaire du maire, ou bien c'est l'affaire de X ou de Y, alors que c'est l'affaire de tous. Et pour réussir, comme je l'ai dit, il faut que chaque citoyen se considère comme un ambassadeur de la propriété. Colonel Boubacar Soumana Garantier, dans quelques jours, la communauté musulmane euh, va célébrer la fête euh, de l'Aïd el-Kébir euh, ou fête de Tabaski. C'est une fête au cours de laquelle les populations vont jeter beaucoup de déchets. Avez-vous un appel dans ce sens Bien sûr que j'ai un appel dans ce sens. Dans tous les cas, comme on l'a toujours dit, ce sont des espaces qui sont utilisés par la population. S'ils polluent ces endroits, moi je pense qu'ils se font du mal à eux-mêmes. Donc l'appel que je peux lancer, c'est vrai, c'est la fête, on va fêter, on va produire des déchets, mais je lance un appel, c'est qu'après la fête, le week-end qui suit, que nous sortons pour rendre la ville propre. Colonel euh, Boubacara Soumana Garantier, quels sont à présent vos conseils, recommandations ou propositions de solutions pour qu'on dise qu'après le départ euh, de l'administrateur délégué, que les citoyens aient un cadre de vie agréable En tout cas, nous sommes euh, de pied d'œuvre là-dessus. Et je me réjouis de voir que nous avons un docteur qui a produit aussi un document dans ce sens. En fait, au niveau de la ville, il y a des agents compétents qui ont fait des études. Au niveau de l'hygiène assainissement, nous avons des cadres qui savent ce qu'ils font et nous sommes ensemble en train de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour laisser un héritage décent aux populations de la ville de Niamey. Avez-vous prévu euh, d'installer des usines ou bien des machines de traitement des déchets solides et euh, liquides C'est un dossier qui est en cours et effectivement, il y a beaucoup de partenaires qui sont en train de venir vers nous nous sommes en train d'étudier les possibilités de le faire et il y a aussi un projet qui est là de la Banque mondiale, le PIDIREM, qui veut aussi s'engager dans cette euh, lancée. Dans tous les cas, vraiment, on a beaucoup de pistes euh, d'espoir pour pouvoir arriver à bout de ce problème d'insalubrité dans la ville de Niamey. Mais nous comptons aussi sur la population parce que le premier maillon, c'est le citoyen. Une autre préoccupation, euh, l'administrateur délégué de la ville de Niamey, colonel Boubacar Soumana Garanki, il s'agit de l'éclairage public en dehors de la gestion des déchets. Oui, l'éclairage public, effectivement, c'est aussi un domaine dans lequel nous sommes, depuis que j'ai pris fonction, on a pris attache avec euh, les acteurs qui contribuent à ça, puisqu'il y a la Nigélec aussi qui fait partie des acteurs, et aussi le ministère de l'énergie, nous sommes en train de travailler vraiment en synergie. Parce que comme il l'a dit, il y a beaucoup d'acteurs qui doivent aller ensemble. Malheureusement, les gens partaient par ordre dispersé. Nous, maintenant, actuellement, nous sommes en train de travailler avec, en synergie avec tous les ministères concernés, en tout cas pour ce qui concerne l'éclairage public. Bientôt, vous allez voir des changements. Merci beaucoup, mon colonel. Docteur Yolambi et Mohamed, les actions de sensibilisation pour amener la population à prendre conscience de l'importance de gérer les déchets et adopter un comportement responsable sont-elles nécessaires dans ce contexte Absolument. Rapidement. lorsque euh, on parle des questions de l'assainissement, forcément, on va parler des questions de sensibilisation et de communication. À, la page 281 de ma thèse, j'ai parlé de l'aspect religieux. Parce que moi, j'ai abordé tous les aspects quand je faisais ma thèse. Et euh, quand vous prenez la population de la ville du Niger de façon globale, nous sommes à 98 ou 99% des musulmans. Et quand on parle des questions de l'assainissement, elles sont liées directement à la question religieuse l'assainissement fait partie de la religion. Donc, partant de ce principe, en tant que citoyen, nous ne devons qu'adopter des bons comportements en matière d'hygiène et d'assainissement. Parce que la religion musulmane, et même d'ailleurs toutes les religions, recommandent la sainteté, la pureté de soi, de son environnement. Et donc, la question de sensibilisation, elle est centrale. Quand vous prenez, euh, je parlais tantôt des dispositions qui existent, puisque c'est un secteur où c'est un sous-secteur qui est extrêmement important. Il y a un maillon dans le cadre du développement humain et il y a des textes qu'on on les a élaborés pour qu'elles soient exécutées, pour, être pour être mis en œuvre. chaque acteur a une part de responsabilité, d'une manière ou d'une autre, en matière de donc, ces, outils ne sont pas. Vous êtes, journaliste. Est-ce que vous êtes prêt, disposé à aider la ville de Niamey pour mener à bien sa mission C'est pas aujourd'hui, moi. D'ailleurs, <laughs> pour rappel, j'ai fait 7 ans à la ville de Niamey. J'ai travaillé à la ville de Niamey. Vous, avez travaillé aussi euh, avec le Régia J'étais correspondant de euh, la ville de Niamey euh, au nom de l'ORTN puisque j'étais à la direction communication, relations publiques, communication et euh, presse, donc où j'ai fait de 2010, hein, depuis capitaine, jusqu'en 2016. Et donc, je travaille avec le Niamey. Je connais la réalité, les réalités de l'avenir. Je connais les ressources, je connais les efforts que les agents de collectivité sont en train de déployer. Mais malheureusement, il y a euh, des limites, des capacités. Et pour ce faire, il faut forcément et fondamentalement la collaboration de la population, sans lequel c'est très difficile de venir à bout vraiment de cette question de salubrité. mais comment, comment amener la population à collaborer C'est sensibiliser, et je dis toujours, le mot sensibilisation, il doit être avec sanction. C'est-à-dire que on, et sanctionner en cas de manquement. On ne, vous sanctionne que quand on vous sensibilise, on vous, on vous conseille, communique avec vous, et en ce moment-là, la sanction, elle peut être appliquée. Et en ce moment-là, on est en droit de vous appliquer la loi. Mais malheureusement, euh, on constate qu'il y a beaucoup de défaillances à ce niveau-là. Il est important de travailler sur ces différents aspects. Merci beaucoup au docteur Yolambi Mohamed. Inoussa Ambali, quels sont vos conseils, recommandations ou propositions de solutions pour offrir un cadre euh, de vie aux populations onyaméennes Donc, euh, merci. Rapidement. très rapidement, je voudrais commencer en ce qui est des perspectives que nous devons envisager par rapport à cette question d'insalubrité, je voudrais commencer par un premier point que les deux autres ont évoqué, notamment par rapport à cette question des déchets, sa gestion. Je crois que les deux l'ont évoqué, si on crée un cadre de prébande, c'est aussi une manière d'attirer les citoyens lambda qui est là, peut-être qu'il y a même une absence de revenus, si on crée un cadre de prébente euh, de la collecte de ces déchets, c'est-à-dire quand on commercialise ah. en créant les conditions de ce que le maire a évoqué, c'est-à-dire l'industrialisation de cette question des traitement des déchets, notamment le système de recyclage et autres. Quand on dit que si tu amènes un sac de 5 kg de déchets ou des sachets plastiques, tu as 500 francs. Je crois que beaucoup de jeunes qui sont là, qui ne foutent rien de la ville, vont avoir d'activités. C'est une proposition. C'est une proposition. C'est-à-dire, vous allez voir qu'en un mois, vous allez faire toutes les rues de Niamey et il est difficile de voir un sachet de Piawata. Ça, c'est un premier élément. Le second élément, c'est que par rapport à ces questions d'industrialisation du recyclage des déchets plastiques, l'État et les municipalités doivent soit créer les initiatives ou accompagner ceux qui ont les bonnes volontés. Ah, il y a certains euh, qui sont dotés de bonne volonté dans ce sens. Sont dotés de bonne volonté, mais c'est l'accompagnement qui manque. Il y en a beaucoup. Il y en a plein Peut-être même j'ai fait partie. Maintenant, par rapport et aux autres aux, d'autres questions, comme vous l'avez cité, ce qui se passe dans nos riz ou dans, devant nos ménages, comme l'a dit les maires, vous allez voir une maison, même si c'est un quartier non loti. Moi, je crois que, que les quartiers soient lotis ou pas, c'est de Niami. Vous allez voir une maison avec une douche bâti en bonne et due qui n'ont pas de fosse. Où on fait un trou qui donne l'eau directement dehors. Et la rue, elle est constamment mouillée par l'eau usée. Ou souvent, quand tu viens pour traverser dans cette rue-là, c'est tout un problème. Et quand tu parles, c'est comme la, la cité l'autre, quand tu parles, c'est des problèmes. Moi, j'ai l'habitude d'avoir des problèmes sans avoir des problèmes avec quelqu'un, un voisin. Quand je l'ai appelé, moi, je l'ai cité et, des, références islamiques pour lui dire que hein, l'islam dit que quand tu arranges la rue, tu bénéficies des bonnes œuvres. Mais quand il la détruis c'est le contraire. Toi, tu fais sortir de l'eau sale dehors. Quand je passe dedans maintenant, mon ablisseur là, c'est foutu. Tu penses que ça te fait du bien quand tu seras devant Dieu il a dit, bon, Kalassour. J'ai dit, non, c'est pas une affaire de Kalassour. C'est ça qui met le Niger à l'état. Chaque fois que tu fais du mal aux autres, on te parle, tu dis Kalassour. J'ai fait, j'ai fait, il a refusé. Mais après, j'étais obligé d'aller voir quelqu'un de la mairie. Je lui ai expliqué. Il m'a dit, bon, il n'y a pas de problème. À l'époque, ils avaient des agents là qu'ils ont recrutés. Voilà, des agents sanitaires. On les a envoyés. Il y a quelqu'un que je connais parmi eux qui est un militaire. Je lui ai dit d'être un peu autoritaire avec lui. Ils ont été là-bas, ils ont parlé au gars, il dit qu'il n'a pas les moyens. On lui a dit, mais si tu n'as pas les moyens, tu fermes le tout. Alors qu'il a les moyens. Les lendemain ou le lendemain, il était obligé de créer un trou pour conserver son nom. Donc c'est ça là qui, manque un peu dans nos communautés. Non par rapport toujours aux perspectives. Le camarade vient d'évoquer un certain nombre de textes. Ce texte là à eux seuls, constitue un fondement, une base pour ce que j'ai proposé comme solution, c'est-à-dire la sensibilisation. Ce texte là suffisent si on fait de ça un élément de base, un guide pédagogique même si c'est un acteur qui n'est pas du système, des questions d'hygiène ou, et, comment il appelle, et d'assainissement, s'il il, il a un guide dans ses mains qui lui permet d'aborder des questions, je pense qu'il pourra s'en sortir. Ces textes-là doivent être expliqués et traduits à langue, à nos langues. Parce qu'il y en a, si on les explique pendant un siècle, en français, ils vont bien comprendre. Maintenant, par rapport, par rapport, à la question des sanctions dont nous avons évoqué, mm-hmm. quelque part, j'ai entendu sensibiliser avant de sanctionner quelque part, j'ai entendu les deux à la fois. Je crois que, bon, je ne suis pas en train de répondre, mais je crois que le dans un premier temps, c'est de mettre un accent particulier sur la sensibilisation. Maintenant, dans la sensibilisation, on peut faire exhibition des sanctions. Par exemple, quand on fait un sketch à la télé ou sur les réseaux sociaux, où on montre que quelqu'un a jeté un truc, on lui a fait telle chose. On l'a amendé 10 000 francs. Quand tu dis à un gérant que si tu jettes un truc de paix à 25 francs, on va te faire une amende de 10 000 francs, même s'il a envie de les faire, il va éviter de les faire. Donc les sanctions peuvent être présentées dans la sensibilisation, mais logiquement, normalement, elles doivent venir après d'abord sensibiliser et travailler parce que quand on fait sensibilisation, on finit. tous ceux qui posent l'acte, ça devient une infraction. Merci beaucoup, Inoussa Amalé. Monsieur Sarate délégué, vous avez quelque chose à ajouter Non, il a tout Rapidement. non, je n'ai rien à ajouter par rapport à ce qu'il a dit. Euh, merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Ce qu'il faut retenir, malgré les efforts des différentes autorités à la tête de la ville, les défis et les priorités restent entiers. C'est pourquoi les nouvelles autorités de la ville ont le devoir de prospecter d'autres horizons afin de créer les conditions d'un cadre de vie agréable aux Niaméens. Merci beaucoup à nos invités, euh, colonel Boubacar Soumana Garanke, administrateur délégué de la ville de Niamey, docteur Yolombi Mohamed, journaliste et expert dans le domaine de l'hygiène et l'assainissement, et Younous Ambali, acteur de la société civile. Je rappelle que nous avons également invité la société Balarabe Assainissement, mais euh, le responsable étant en déplacement, il n'a pas pu prendre part. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 52 radios partenaires. Merci aussi à la technique assurée par Amina Hassan. Merci, au revoir.